borom dëkk bi cheikh al islam baye ñass ak euh, suñu sëriñ imam cheikh Ahmed Tidiane Cissé di kaddu mbékté nak tay ñu wara yëkëti suñu vote pour euh, tan ki ñu wara jité ci 5 ans yi di ñëw ñu ñëw nak gis fi jàmm ak salam rek donc mu nekk lo xamné ni lool rek mo wara am Sénégal ak Sénégal benn bop la kenn mënu ko xar ñaar té ñëpp ay mbokk lañu xumboon na neexoon na waaye à l'arrivée ñëpp ay àndaat dajewaat fi rek ndax ñëpp ay mbokk lañ donc daal sant yàlla rek di wax rek ne nañ ko def ci jàmm ak salaam bureau de vote yi euh, daanaka ñëpp a ngi fi parti yëpp a nga fa ils sont tous représentés matériel bi ne mi ngi sur place nit ñaa ngi voter dans le calme et la sérénité c'est tout simplement un plaisir de venir faire notre devoir de citoyen donc on va choisir notre prochain président pour les prochaines cinq années et euh, j'ai trouvé que véritablement c'est pratiquement une fête puisque tout le matériel est sur place tous les partis sont représentés et cela se fait dans donc, euh, une familiarité, un environnement, une atmosphère vraiment familiale. C'est ce qu'on a connu depuis les indépendances jusqu'à maintenant, parce que le Sénégal est un pays de grande démocratie. Et que nous sommes, le Sénégal est toute une famille. Et que nous souhaitons qu'à la fin de la journée, que la démocratie gagne et que le président Macky Sall soit réélu au premier tour. Donc c'est notre souhait mais tout cela se fasse donc dans la paix, dans la concorde, dans l'unité, hein, dans l'amitié. voilà. Merci.